de notre thème du jour. Mhm. Je fais un coucou à Doudou, ah. euh, qui a fui. Le fuyard. Le fuyard. Mhm. euh, législative 2024. Mhm. Alliance et mes alliances. Bachir. Wow. Euh, législative. Wow. Aïssato. Oui. Législative. Da am ben galgal bo xam ne da koo ci parce que le président Diomaye dañoo digone mom def euh, son premier discours à la nation mm-hmm. il a dit je serai un président au-dessus de la mm-hmm. mu wax ñu ni les fonctions qu'il occupait dans son parti politique mm-hmm. mu doon lu ñi mais nga mm-hmm. le militant. Mm-hmm. a pris le dessus sur le président. Mm-hmm. comment ça. Euh, suis dafa lok sénégalais di def interview. ñu président ya ñu une ni conseil économique et social. ak euh, au conseil des collectivités territoriales da nga len di tas. lan mu ne génnul ci sama yéene. Mhm. mais awma majorité bu ma ko defee. lii la wax lii la wax. kon yow mi ne woon amoo majorité boo ko defee. Mhm. bu loi yóbbu ko assemblée nationale. Mhm. pour tas ñaari institution yooyu noonu. mooy maanaam le militant. a pris le dessus sur le président. c'est dommage. n'est-ce pas donc jël nga loolu yóbbu ko assemblée assemblée bañal la ko mhm. nga indi comme lay mhm. pour né da nga assemblée mhm. et pourtant assemblée bobo, votel na la commission des droits humains waaw waaw c'est vrai hein, en plus assemblée bobo nono, Ratifier na fi convention de Niamey xawma euh, ak yoy non bu assemblée donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que ta taafantaloo ay prétexte dañu wut mm. ay lay nu ko mm-hmm. Cheikh bara waxee won ci mu mi dañu wut ay lay <laughs> dañu bëgg layal tas assemblée bi té nak jarut lay waaw xam nga da jarut lay waaw dafa mbir mi dafa simple mm-hmm. président de la république nga dañ la fal mm-hmm. amo majorité normal na nga uti majorité dëgg la jaru ko c'est pas la peine c'est pas la peine c'est dans l'ordre normal du clairement kon amul won pour woutal ko lay Maintenant, mm le militant a pris le dessus sur le président. beneen bi moy li ma la wax ni ñaarel bi yow président. yaa bindu conseil constitutionnel. nga bindu ko le 6 juillet. laaj ko ñaari mbir. Ben, est-ce que. kañ la a a tas assemblée. ñaar buma ma assemblée kañ la mën a dem élection. Mhm. c'est normal constitution moo la may. Mm-hmm. nga laaj conseil constitutionnel avis. Mm-hmm. conseil constitutionnel tontu la le 11 juillet. Mm-hmm. Aïssatou yow nga am réponse le 11 juillet nga jël nga dugal sa poche. waxtaan si ak musel mi certainement. ak ñi nga bokkal parti certainement. nga toog du 11 juillet. au 12 septembre kenn xamul le conseil constitutionnel bind alors que mais loulou mais loulou c'est quoi. utiliser sa posture de président. Mm-hmm. pour favoriser son clan. mais c'est même de la triche ça. mais donc moi le mm-hmm. militant a pris le dessus sur mm-hmm. le président. donc à partir de là. nous nañ. dit, Dafmelni, jii daf mel course arbitre bi nga xamné mhm. mètres. Mhm. après mo siffler commencé daw. non non non la interpréter maintenant la nature des élections mhm. oblige les partis à aller. en coalition parce que c'est la nature. explique-moi un peu. Je ne sais pas si tu as dit ça. surtout nous suñu réew. nous avons le système raw qui mhm. ci ay élections. Mhm. élection locale. Mhm. raw gàddu la. élection législative. mooy maanaam ñun kastoor gii ñu nekk nii. Si nous avons def élection maire kastoor. nga yor sa liste ma yor sama liste. waaw. Euh, nous technicien bi yor liste Doudou Coulibaly yor liste y a une liste qui a 20 voix. Wow. Moi, ma liste a 19 voix. Mhm. Troisième, elle a 18 voix. Quatrième, elle a 16 voix. Mm -hmm. Je 16 plus 17 plus 18, c'est plus 20. Mais si a 20 voix, c'est plus 20. C'est plus 20. Donc, le système que nous avons, mhm. c'est un système qui favorise le parti au pouvoir. Mhm. Logiquement. Donc, si tu veux que nga am dara ci élection yi ni mel mhm. il te faut aller vers des alliances mhm. boko deful mhm. tu risques de justement euh, permettre au parti au pouvoir d'être hégémonique donc lol mo et comprendre les logiques d'alliance mais mais, c'est ces logiques d'alliance là euh, Bachir nañ ci taxaw touti waaw euh, gis nañu né mm. dans ensemble 人家大约六，刚十八。